Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Eugène Pewa Pelema depuis la Voix de l'Amérique ici à Washington DC. Euh, Je suis rejoint par euh, Sedina à depuis Dakar. Nous venons, Cédina, de vivre euh, ce match et euh, mouvement à la fin de, du quatrième carton entre euh, le FAB du Cameroun et le Petro de Luanda. Ce match s'est joué par le score d'une une différence du score de deux points on a pu voir la fin du match. Il y a eu des petites erreurs, euh, je, pense, au niveau de l'arbitrage. Mais ce match, euh, euh, d'une certaine manière, le FAP a mal joué son coup entre le deuxième et le troisième carton où ils n'ont pas réussi à faire leur jeu leur jeu qui les a, euh, qui, du moins ils faisaient un jeu très précipité pendant ce deuxième et troisième carton, et ce n'est qu'au quatrième carton en fait qui, par orgueil, qu'ils ont ils ont sonné la la la la, contre-attaque et ça leur a permis de de, revenir à la marque euh, dans un match très disputé avec le Pétrole Luanda qui a subi en fait les deux derniers cartons, euh, gagné de, de, très peu de points par cette équipe des FAP, Sedina. Oui, on euh, en, son match, on se rend compte que cette équipe de FAP n'est pas facile à manier. D'autant plus qu'après le deuxième carton, on ne dépasser le coup sur 20 parce qu'ils ont marqué 11 points. Euh, mais eux, ils sont parvenus à limiter euh, cette équipe de Petro Luanda à 14 points dans le troisième carton et 10 points seulement dans le quatrième carton. Mais comme tu l'as indiqué, il y a eu des impairs, notamment de la précipitation, et surtout un joueur qui a été décisif pour et qui aussi a coûté cher à son équipe pour c'est Amadou Abdoulaye Harouna. Parce qu'il y a des séquences où il devait, par exemple, être beaucoup plus euh, altruiste euh, libérer la balle plutôt, faire jouer ses coéquipiers, mais il ne l'a pas fait. Mais on a vu un run 8-0 qui leur a permis de réaliser un très bon début de quatrième quart-temps. Ensuite, l'entraîneur José Neto, comme à son habitude, a pris un time-out pour casser le rythme. Il a apporté des ajustements qui ont pensé sur le champ allait permettre au pétrole Luanda de se détacher à nouveau, mais non, après deux paniers successifs, euh, les FAP ont opposé une belle résistance, ils n'ont ni abdiqué, ni céder encore moins se décourager. Et moi, je suis vraiment fan de cette mentalité que les joueurs camerounais ont affichée pour revenir au score, pour rester au contact et surtout pour montrer qu'ils auraient pu remporter ce match s'ils n'avaient pas commis certaines erreurs. Mais franchement, Eugène euh, quelle défense euh, dans cette, durant cette deuxième mi quelle réaction et quelle adversité ces femmes là ont proposé. Oui, tout à fait. C'était un match extrêmement défensif. Euh, ils ont euh, malheureusement pêché du côté offensif. Euh, le Cameroun, l'équipe du FAP, aurait pu faire euh, beaucoup mieux. C'est vrai, Aruna a été déterminant, mais à un moment donné, comme tu l'as dit, il gardait peut-être trop le ballon et il devrait il devait un peu plus diriger le jeu, créer des occasions et par exemple euh, leur américain Marcus Wallet qui est venu par la suite euh, est resté trop longtemps sur le banc. C'est en deuxième, au, au quatrième carton que le coach Adingono l'a ramené et ça a permis à cette équipe de recoller. Ils ont eu même le, quand ils ont volé la dernière balle, ils avaient volé une balle qu'ils ont reperdue immédiatement. Cette balle était capitale, elle aurait, aurait permis ou d'égaliser ou de passer devant puis bon, mais à la fin, quand on voit à la fin du match, je pense qu'il y a eu une faute qui a été commise sur Aruna. Je suis étonné que coach Adingono n'ait pas demandé un, replay euh, pour vérifier ça et qu'on puisse changer le col et, ils auraient eu deux lancers francs et ça ça, je n'ai pas je n'ai pas compris euh, euh, cette partie de, fin de match. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité comme cela se fait en NBA de demander le replay parce que je pense que j'ai pas vu, en tout cas, d'entraîneur euh, le depuis le début du tournoi. Si, si, il y a des. Ils ont ce règlement. Pour voir, parce que, comme tu dis, c'est une faute et c'est devant l'arbitre, c'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. Tout à fait. Devant l'arbitre sur une action décisive qui aurait pu permettre euh, au FAP de recoller et d'aller en, prolongation. Donc, euh, c'est assez bizarre que l'arbitre n'ait pas cité cette faute et c'est aussi assez bizarre que l'entraîneur n'ait pas demandé un. Euh, la vidéo, l'arbitrage vidéo, si en avait la possibilité, c'est assez bizarre. C'est une fin de match en tout cas qui va laisser beaucoup de regrets à cette équipe des Tout à fait, tout à fait. En tout cas, le, mais ce règlement existe, il y a effectivement les, replays. Ils ont le droit de, de, de demander qu'on puisse euh, remontrer euh, l'action. Mais bon, peut-être sous le feu de l'action, euh, émotionnellement peut-être euh, à un moment donné il y a eu un oubli de la sa part et ça a causé ce que ça a causé. Mais pour revenir sur ce match, euh, on espère qu'on pourra avoir le président de la Ligue du centre du Cameroun, une ligue dans laquelle cette équipe du, du FAP évolue pour qu'il puisse nous donner certains propos. Mais en analysant le match, on peut constater que, par exemple, côté euh, du Petro de Luanda, nous avons continué à avoir un, un Carlos Moraes euh, complètement méconnaissable, ratant même des lancers francs, mais euh, pour, pour euh, compenser son manque de points, on a vu quand même un joueur très présent au rebond parce que euh, la main, ça ne marchait pas, mais il a été capable de marquer, d'avoir 10 rebonds par exemple. Il a, il a, il a été présent. On a vu par exemple un joueur comme Pedro qui avait très très bien joué a disparu complètement complètement euh, l'un des autres cartons. Il avait bien commencé avec 13 points, il a fait dire bon, puis on ne l'a plus vu pendant longtemps. Mais c'est l'Américain Antoine Scott qui a, qui fait le match d'une certaine manière en, marquant 23 euh, points, Cédina. Euh, oui, Eugène, et on, va encore parler de l'apport du banc parce qu'on se rend compte que dans les matchs serrés, c'est le banc qui est déterminant. Là, le banc des FAP n'a apporté que 16 points, là où le banc du Petro de Luanda a apporté 33 points. Euh, c'est dire que euh, dans cette compétition-là, les rosters sont importants parce que les équipes qui ont les effectifs euh, les plus interchangeables peuvent en principe sans sortir souvent quand le match est assez, assez équilibré ou assez serré. Et, sur ce match-là, on a vu que euh, le banc a fait la différence, mais également les, Angolais, on se rend compte que pour eux, les lancers francs, c'est comme des paniers faciles. Et quand ils en restent, on, voit la frustration sur le visage, on voit des gens qui savent qu'ils perdent des points importants. Et ça, il y a certains, certaines équipes qui ne l'ont pas encore intériorisé, on l'a vu sur des matchs depuis le début du, euh, du tournoi ou des joueurs, on a l'impression qu'ils se précipitent même pour... Euh, en tout cas, ils ne s'appliquent pas sur les lancers francs et leur équipe perd 14 points, 10 points ou plus à chaque match sur les lancers francs. Et au final, quand on regarde le score du match, s'ils c'était mieux appliqué sur ces lancers francs-là, ça leur aurait permis soit de gagner, soit de combler un certain gap par rapport à, à leur adversaire. Donc, c'est des des choses sur lesquelles certaines équipes devraient plus s'appliquer parce que ça leur permet sur des matchs de s'en sortir. Tout à fait, tu as, tu as totalement raison. Euh, c'est vrai que quand on voit euh, l'équipe des forces armées police, on se rend compte que le banc euh, n'a pas été aussi performant puisqu'ils n'ont marqué que, que 16 points. donc, euh, ça, ça joue en fait contre eux, alors qu'on a eu une plus grande et, c'est normal d'ailleurs, une plus grande participation du banc de, de, de, Petro. Euh, le Petro qui, euh, qu'on appelle ça, ne l'oublions pas, hein, composé de, de 8 joueurs ou plus de, de l'équipe nationale angolaise, donc euh, des gens super expérimentés qui sont habitués à ce genre de compétition et qui savent jouer au rythme qu'ils veulent jouer parce qu'en fait c'est ça qui euh, on appelle à qui joue contre, euh, qui a joué contre cette équipe du Cameroun, où on voyait plutôt de la précipitation, euh, un manque de, de patience dans leurs attaques. Ils, avaient tout, tout juste besoin de pénétrer cette, cette défense angolaise qui ressemblait à une zone mais qui n'en était pas une, et essayer d'aller à l'anneau. Ils avaient un big man qui tirait trois points au lieu de s'approcher de l'anneau. En tout cas, ils ont ils, ont, mal joué leur coup. Et, j'étais un peu étonné que euh, le temps passait et les choses ne changeaient pas. Et, comme le match d'hier, un peu de l'AS Douane, on se demandait si euh, coach Adingono aujourd'hui euh, parlait à ses joueurs ou alors si les joueurs, on leur donnait des consignes et ne les respectaient pas. Donc voilà ce qui se passe, c'est hein, Cédina. Oui, et, je trouve aussi que même s'il y a des, des manquements, notamment comme tu l'as souligné, euh, cette équipe des FAP a montré plus de réaction, plus d'envie et surtout d'agressivité en défense que, la douane hier. Parce que hier, euh, Alvaro Massa s'est littéralement promené dans la raquette de la douane sur la ligne des trois points. Vraiment. Euh, mais là, on se rend compte que ces jours-là ont montré une certaine volonté une réaction adaptée, surtout pour contrer cette équipe-là, parce que, comme tu l'as dit, euh, du côté du banc, il y a, y a, de la qualité, du côté du banc du Petro de Luanda, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup d'expérience surtout, parce qu'on l'a vu, même Léonel Paolo quand il le vétéran et capitaine de cette équipe-là, il a montré beaucoup d'envie. Et, donc, euh, je pense que ces FAP-là en tout cas, d'après ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, mérite euh, euh, de, terminer parmi les meilleurs troisièmes. Et j'espère pour eux que leur dernier match va leur permettre de se positionner parce que vraiment, ils, ont une belle résistance face à des équipes qui, en principe, sont beaucoup plus. Euh, sont en tout cas un niveau au-dessus, mais eux, ils jouent sans complexe, ils jouent avec leurs atouts. Mais comme tu l'as souligné, il y a des ajustements techniques et tactiques qu'il va falloir pour euh, euh, rentabiliser toute cette envie et tout ce talent que cette équipe des Tout à fait. En tout cas, il, euh, coach Adingono a intérêt à mettre en place une stratégie gagnante pour leur dernier match contre l'AS Police qu'ils doivent absolument gagner. Et s'ils peuvent le gagner avec un certain, un certain nombre de points, ça leur permettrait, en tout cas, ils seront parmi les meilleurs troisièmes parce que c'est une équipe qui a un potentiel et peut-être là ils pourront euh, tirer leur euh, leur épingle du jeu. En tout cas. Euh, nous verrons ce qu'il en est. Ce qui est sûr, le prochain match va opposer l'autre équipe du groupe, c'est-à-dire l'AS Police contre l'AS Salé, ce sera aussi un match très très très difficile. Euh, qui pourra déterminer euh, euh, si l'AS Salé pourra gagner son match et, et, et jouer la, la, petite finale du groupe contre le Petro de Luanda qui a pu déjà se qualifier pour, cette, pour ce quart de finale de la, de la Ligue africaine de basketball. En tout cas, nous avons devant nous de, un, très grand match qui se jouera tout à l'heure. Je suppose que l'AS Police fera de son mieux pour essayer de recoller. Euh, euh, dans cette En fait, je me trompe, c'est le, prochain match que nous allons euh, suivre, c'est l'Union sportive monastérienne qui est une équipe tunisienne qui a été championne d'Afrique des clubs champions et qui rencontre le, le River Hooper Basketball Club euh, un match qui est plus qu'important pour les Hoopers qui ont fait une très mauvaise entrée contre les, Patriots. S'ils veulent avoir une chance au moins d'être parmi euh, les gens qui joueront, les équipes qui joueront ce, quart de finale, au moins être parmi les meilleurs troisièmes parce que en perdant le match de plus de 20 et quelques points, il serait nécessaire qu'ils puissent euh, bien réagir, essayer de, gagner ou du moins éviter euh, au maximum d'encaisser trop de paniers dans le cas où il venait à perdre ce match, euh, Céline. Célina Oui, en tout cas, euh, face à l'Union sportive monastérienne, il va falloir être. Parce que quand je regarde le score qu'ils ont mis lors du précédent match, bon, je me dis qu'ils sont, ils sont quand même sont quand même à un certain niveau. Maintenant, c'est au niveau football, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la première partie, avant le premier match, de montrer beaucoup plus qu'ils ont montré face aux Patriots. Parce que durant ce match-là, on a vu des limites, surtout sur le plan mental, parce que des joueurs qui se sont relâchés très tôt, qui ont très tôt abdiqué, euh, c'est une chose à ne pas faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les FAP l'ont montré. La détermination peut des fois combler le talent, parce que euh, c'est un sport collectif et les ajustements tactiques et surtout l'engagement des joueurs sur le terrain pour permettre de surmonter certaines situations, de résoudre certains gaps et de se montrer à son avantage. Donc euh, les Hoopers ont tout intérêt à montrer un meilleur visage et surtout une meilleure force mentale pour faire face à cette équipe euh, monastérienne qui a été très très impressionnante lors du premier match. Tout à fait. En tout cas, euh, cette équipe monastérienne, comme tu le dis, c'est en fait c'est une mini équipe nationale de Tunisie que tu vois et qui est, euh, comme l'Angola, la Tunisie a construit un programme de basketball euh, depuis les 20 dernières années. Et c'est ce programme qui continue. Euh, n'oublions pas que la Tunisie est probablement l'un des pays qui a plus grandes euh, infrastructures sportives euh, euh, en Afrique parce qu'ils ont des terrains et des centres de préparation dans l'ensemble du pays. Euh, il y a des terrains de basket couverts un peu partout. Ils ont fait du basketball un sport super, super développé dans leur pays. Et ce qui explique les bons résultats qu'ils ont eu ces dernières années où on a vu des clubs tunisiens remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais on a aussi vu la Tunisie euh, s'approprier euh, euh, quatre podiums, dont, dont, deux championnats d'Afrique en 2011, si je me trompe pas, et en 2015 ou 17. ils ont pu faire cela, sinon ils ont eu aussi deux médailles de bronze ces, dix dernières années, ce qui fait que après l'Angola, c'est probablement le programme de basketball qui a le, qui a le mieux réussi dans cette compétition. Oui, tout à fait. C'est une équipe qui a su, c'est un pays qui a su développer une politique sportive euh, intéressante, euh, comme, comme tu viens de le souligner, et qui est également parvenu à se positionner euh, parmi les grands parmi les grands d'Afrique et jusqu'à aller en, en, Coupe du Monde, jusqu'à avoir des titres au niveau africain. Donc, euh, quoi qu'il advienne, euh, en tout cas, on n'a que des mini-équipes nationales parce que pratiquement dans toutes les équipes, on a au minimum 3 à 5 joueurs qui sont qui sont qui sont membres de l'équipe nationale de pays. Donc je pense que c'est ça, ce sera une compétition disputée de bout en bout et la Tunisie, comme tu l'indiquais tout à l'heure, effectivement est championne d'Afrique en 2011, en 2017, médaille d'argent il y a très longtemps, en 65, mais par rapport à le système qu'ils ont adopté récemment, ça leur a amené des satisfactions, puisque au-delà des deux titres acquis en 2011 et 2017, ils ont également été médaillés de bronze en 2009 et en 2015. Autant dire que euh, c'est une nation qui s'est positionnée mhm. euh, comme, euh, en tout cas, une grande nation de basketball. C'est un pays qui s'est positionné comme une grande nation de basketball en Afrique, avec notamment leur participation aux JO de 2012. Euh, à la Coupe du Monde de 2019, euh, ils n'ont pas été fameux, mais au moins, ils, ont montré un basketball qui leur permet de participer aux joutes continentales, d'y être sacré, et de participer aux joutes internationales et d'y faire bonne figure. Tout à fait. D'ailleurs, euh, cette même Tunisie est pour le moment qualifiée pour le tournoi pré-olympique qui vont jouer euh, d'ici quelques temps euh, en Europe, euh, qui déterminera un qualifié supplémentaire ou deux qualifiés supplémentaires pour aller à Tokyo. Et donc, euh, d'ailleurs, pour repartir même dans le passé, cette équipe de Tunisie avait été médaillée de bronze au championnat d'Afrique qui s'était déroulé en 74 à Bangui en République centrafricaine. Ils ont toujours eu un basket euh, très technique, bien joué, et, donc euh, ce n'est pas étonnant de les voir à ce niveau le plus élevé. En tout cas, notre la Ligue africaine de basketball euh, va permettre en tout cas à, à, à cette Afrique, comme on l'a dit, peut-être dans le temps, là à moyen, à court terme, obligatoirement, on a été avec euh, les joueurs que nous avons sur le moment. Euh, probablement que les équipes, du moins la ligue, va se développer d'une telle manière à peut-être à, promouvoir euh, les jeunes africains, beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire des gens qui, qui ne sont pas plus âgés de 25 ans, 23 ans, 24 ans et plus bas, afin de pouvoir, pour avoir une meilleure qualité de basketball qui permettra à cette ligue euh, de progresser dans le temps et ouvrir des, des, opportunités aux meilleurs joueurs africains euh, pour avoir accès, par exemple, à des ligues comme la NBA ou à l'Euroleague en Europe ou des championnats, du moins des championnats en Europe tout entière. Ok, Eugène Pewa Pelema, euh, d'ici le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC, et Chèque Thérault. Chèque, bonjour, comment vas-tu Oui, ça va, ça va, ben, ça va. ça va. très bien par la grâce de Dieu. On a assisté aujourd'hui à un super match euh, avec un score étriqué entre euh, ah le Pedro de Luanda contre les Fab du Cameroun, un match qui s'est terminé un peu de façon bizarre parce que le Cameroun aurait pu bénéficier de cette faute à la dernière seconde, une faute commise. Le, coach entraîneur, l'entraîneur du Cameroun n'a pas utilisé le replay de la vidéo et donc ils ont perdu le match de deux points. Euh, donc je te laisse un peu, je voudrais avoir tes impressions par rapport à ce match et, euh, ce que tu en penses quand. moi quand même je pense que euh, c'était un très bon match, un très bon match, l'endroit là où moi quand même je, je, vais, je vais parler un peu, c'est là où euh, vraiment quand on voit le tournant, toutes les équipes qui ont perdu leur premier match, euh, ils sont tous venus avec des efforts splendides. comme on dit, euh, ils sont venus avec des forces. Et quand il était, s'il était au 20%, ils sont venus avec 80% de performance. On a vu ça avec toutes les équipes qui ont perdu dans le tournant et qui les cas, c'est les Patriotes. Tout le monde pensait qu'ils allaient, perdre contre Madagascar. Hier, c'était le même cas aussi avec euh, euh, l'équipe perdant euh, qui a joué hier. Aujourd'hui, nous avons vu une prestation de l'équipe de Cameroun qui, d'ailleurs devait gagner le match parce que moi, eh, si tu, gardes une équipe qui, marque plus de 90 points, c'est une équipe qui, peut scorer 90 points par match parce que c'est une équipe qui seulement qui fait les 3 points. Et quand tu regardes l'équipe angolaise, là, même l'histoire de l'Angola dans les basket africain, l'Angola n'est pas une équipe euh, qui est grand, grand avec euh, euh, des athlétismes. Ils ont athlétismes, ils ont le talent, les, les techniques, le fait. Mais l'Angola tue, toutes les équipes africaines avec les trois points parce qu'on a vu que le, du meneur au pivot, tout le monde shoot, met, met, met, les trois points. Quand tu joues avec une équipe euh, qui, qui met trois points comme ça, c'est trop difficile à marquer parce que quand on shoot aux trois points dans les matchs, c'est un rebond qui va être long. Le rebond qui est long, c'est aux joueurs de voir que quand l'équipe shoot le trois points, le rebond va créer un long rebond. Il faut seulement bloquer le meneur même jusqu'au point de trois points. Parce que quand la balle rebond du cerceau, ça va loin, en dehors du, mètre du, pivot, des deux pivots. C'est le meneur qui récupère les rebonds maintenant et donne une seconde chance euh, à l'équipe euh, angolaise euh, qui, encore essaie de shooter au, au tri encore. Bon, moi quand même j'ai vu que l'équipe camerounaise a joué très bien, avait contrôlé. C'était pas un match, match qui jouait le catch-up. Parce que, en général, quand tu joues un match catch-up avec une équipe, tu es barré. Parce que toi, tu es en train de catch-up à l'air, à, à le score. Le aussi en train de catch-up au temps du clock. Donc ça veut dire que si tu es en train de jouer catch-up, bon, c'est pas une bonne chose pour toi. Mais ce n'était pas le cas avec l'équipe de Cameroun qui a vraiment montré la, défense. et ils ont limité l'Angola à euh, moins de 70 points. Imagine qu'une équipe comme le Golden State les limite à 70 points par mois, ça veut dire qu'ils ont très bien joué défensivement. Mais dans le basket, beaucoup de choses comptent. like, euh, les petits trucs dans le basket, les simples les, simples euh, ça, ça compte beaucoup dans le basket. Ça, c'est les, déflexion, la défense, et quand il retourne la balle ou quand tu perd la balle, les rebonds, les shot blocks, euh, les blocs, tous les petits détails dans les matchs comme ça serrés, une compétition comme ça, ça compte beaucoup. C'est ça qu'on a vu à la fin de la, du, quatrième 4e qu'il y avait un jump ball, parce qu'il y avait un effort qu'ils ont fait, et puis ça le ball, le ball a été, la position a été donnée à Angola pour, pour donner la victoire. Ben, c'est une manière, quand même, euh, de gagner une match quand même à la dernière minute parce que c'est l'effort qui compte en ce moment. Vous, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de compétition Vraiment, les deux équipes ont mouillé le maillot et puis nous, en, en, avance, on doit voir que l'Angola, c'est une équipe qui chute beaucoup de trois points. Si tu les marques avec les trois points, il va avoir beaucoup de sérieux, de problèmes avec toutes les équipes. Et on a vu ça avec, avec l'AS Police du Mali et quand ils faisaient beaucoup de truies, et le rebond, ça tombe encore dans les mains de, de, de, de, de l'offense. Et puis, troisième chance, troisième chance, et troisième chance, ou même quatrième chance au cerceau. Ça, ça, et quand tu perds la balle en, en, en, offense, et ça, ça doit être deux points à ta côté, à, sur toi. Tout à fait. La personne qui va prendre le rebond va engager ça, il doit te marquer deux points. C'est ça la norme du balle. Mais si toi, tu as une seconde chance, deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, c'est trop bon pour toi. Donc, l'équipe anglaise, là, leur point fort, c'est de jouer en, dehors de, du trois points. Et puis, même si quelqu'un est ouvert au-dessus du cerceau, souvent on a tendance de passer à, aux gens qui, la personne qui est ouverte au, niveau des 3 points pour chuter les 3 points. Et puis, il met ça parce qu'on a vu que le, le, du, du, premier au 5, tout le monde joue plus, euh, met les trois points. Aujourd'hui, le, le, le 41, la fois dernière avec l'équipe du Mali, le premier match, il a marqué 4-3 points avant ouais, que tout à fait. que c'est le pivots que tu peux marquer des points. Tout Donc, à fait. je pense que Mouvi pour euh, en avance, euh, l'équipe anglaise euh, doit vraiment aussi considérer de jouer à l'intérieur parce que si tu joues une équipe contre les Patriotes de la Tunisie, et si tu ne marques pas beaucoup de 3 points, ils vont vraiment te dominer avec leur vivacité. Une équipe comme le Sénégal qui est très rapide en défense, okay. ils vont seulement en haut. Euh, merci beaucoup, Sheik. En tout cas, on va se reparler pour le prochain match qui aura lieu entre les River Hoopers et l'équipe de Monastir. Donc, euh, disons que pour aujourd'hui, nous allons demander à nos auditeurs euh, de nous retrouver tout à l'heure pour le prochain match qui va se jouer à, à 14h de Washington. Donc, euh, ça fait, je crois, là j'ai pas l'heure euh, <laughs> devant moi, l'heure locale, mais nous nous retrouvons euh, très bientôt sur cette chaîne dans une heure où le match se jouera, le prochain match se jouera entre l'équipe de Monastir et l'équipe de AS, du moins de, de River Hoops, de Hoopers de, de Nigeria. Donc, euh, euh, nous nous retrouvons tout à l'heure euh, pour le match, euh, le deuxième match de cette journée, nous invitons tous nos auditeurs euh, à nous retrouver plus tard dans cette compétition qui a commencé depuis un moment et qui, d'une certaine manière, enjoie le public africain. Et donc, je les invite encore une fois à suivre les matchs à Bangui sur la bande 101.7, à Brazzaville et Kinshasa sur la bande 104.3, à Matadi, Boujimaï et Kananga sur la bande 93.5, à Pointe-Noire sur la bande 98.3, à N'Djamena sur la bande 93.1, à Dakar sur la bande 102, à Lumumbashi sur la bande 102.8, à Bukavu sur la bande 97.4, à Goma sur la bande 96.2, à Kisangani sur la bande 97.7, à Abidjan sur la bande 99, à Ouagadougou sur la bande 102.4, à Niamey sur la bande 102.5 et à Lomé sur la bande 102.3. C'était Eugène Pewa Pelema. Euh, depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC et Sedina Abagé depuis Dakar au Sénégal. À tout à l'heure. C'était l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.